ngi nuyu képp ku fi teew mbokk journaliste yi à travers yéen ñuy nuyu sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp ku ne ci ñoom fa nga ne muy ñi ne bitim réew ak ñi nekk ci biir réew mi di am mbégte comme toujours ñëw jàkkaarloo ak yéen à chaque fois bu ko actualité bi laajee à chaque fois bu ko moment de vérité laajee parce que dama koy fàttali tout temps le seul rapport qui nous li avec le peuple rapportu dëgg la rapportu vérité la

Bime mouji Jakarlo ak Senegalayi Tofel bo bu Enkourajman yoyou ak soutyen yoyou Ken mounou l kham namoutoy Nima chi jote tontou Magilin digerim Niga kham ni defwa Dan rate apeli, rate mesaji Magilin digerim egalman Digerim Senegalayip Rev mi mounou nyor Te lip Ti sunu dundu Den nou jel djokwa Senegal Yag nan kay wak 20 ku ans d'opposition alors que bu la neexoon nga def pour ku fi jaar soxla na la dafa nga tout simplement que waxtu yoyu jamono yoyu ak doxalin ak gis-gis mengowul ak li nga xamni tay nga war pour Sénégal lolu mo waral vingt ans 20 ans yoyu ku def wane nga bu baax a baax ni askan wi rek moo la ñor te ci loolu la ñuy wéyee ak fu nu mën a ne ak lu nu mën a def parce que askan wi mooy sunu raison d'entrer en politique askan wi mooy sunu raison de nous engager en politique yàlla def na bi ñu nekkee école polytechnique avant ñuy génn quatre mois avant nous yalla baxé ñu am bobu génné guñu sax suñu premier emploi mi ñu fekk ñu nekk encore étudiant en cinquième année bi ñu génnee dix jours nous ñaan suñu employeur ni ka nanu may ñu noppalu ginaaw suñu diplôme pour ñeu commencer kon yalla mi ngi sutural ñu nekk ci liguey bobu ba tay te liguey liguey pour Sénégal motax dans nos rapports la seule chose qui puisse exister ak qui peut mën déterminer c'est ce qu'on partage en commun muy le pays la souffrance des Sénégalais l'espoir sur le dirigeant espoir qui connaît qui ci ku ne ki nga xam ni tey nga le tout temps fàtte sa bopp nekk ci ñoom li ñu bëgg bi fi mujjee ma que l'outar tax déggu leen ma gisu ma j'ai voulu mettre à l'aise ni nga xamni ni ñoo combat bi ñett at yi ñu genn le président Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal et le premier ministre Ousmane Sonko président de PASTEF ma ni ñett at yi ñu combattre ñett at yoy nga xamni amul lu nu dajul te sénégalais yi ñooy ay témoin ñett at yooyu fii ngeen di gis barricade nañ ko ba tàyyi ñett at yooyu fu nu jëm topp nañ ñu lu nuy bëgg wax téye nañ ñu fu nu bëgg jëm arrêté nañ ñu ñett at yooyu nga xam ni tëdd nañ ci kaso pendant di jours ñett at yooyu nga xam ni jël nañ ci ay grenades lacrymogènes lépp li ko waral mooy Sénégal lépp li ko waral mooy li ñu dikk senegal ñu mën ko def lépp li ko waral mooy fi nu askan wi toll ñetti at yu méttee méttee métti metti mais ñetti at yi nga xam ni dafa jaadu woon ñu wan Sénégalais yi ni dara ñoruñu lu dul seen yitte dara ñoruñu lu dul li ngeen bëgg dara ñoruñu lu dul ci li ngeen nekk ak li ngeen joxoñ ñett at yooyu ku ne xam na ni le président Macky Sall amul lu mu jéemul te seetiwuma ko guddi seetiwuma ko bëccëg làqatuwuma seeti ko defuwuma leneen ndaxte lépp lu may def rek je le fais de la manière la plus transparente possible bu ma waree avancer mettez tous les chars de combat devant moi j'avancerai

mou don un moment determinant pou un parti e un koalisyon. Nou wana dem ti eleksyon yoyou, ma tok fi ni len. Ginna ou yal la defne degoume len, joun ben nweri. Ginna ou yal la defne tok amoul pou mene wakhtan, tok amoul pou mene wak len li ma khala ki Senegal ak kadir yinou andal kon dinan dem ti koalisyon pou ke bou nfa ame ay deputey bu ñu assemblée lañuy wax té waron leen ko wax bu fekkoon contact bi amna, na lan war wax ñu wax ko foofu dégg pour jëfee ga biir réew ndax té kenn umpulewul ni bi jip ci élection yi coalition bi parti bi réunir ne plus de 300 cadres ñu taxawal un programme important tuddee que le Sénégal bon à vivre et beau à voir et kenn umpulewul qualité cadre yoyu nga xamni ni ñoo ci liggéey donc lu nu mel ci xam-xam lu nu mel ci xalaat day baax nga koy mën di waxtaanee soit directement ak ñi nga xam ni tey ñoo fi ne wala bu fekkee loolu amul nga mën par une autre voie di ko wax ñu koy dégg yàlla def na nag bi ma waxee loolu émouvoir na Sénégal yu bare bare perte nous a aussi Sénégal yu baré baré, sénégalais yu baré baré, ñuy soga di yegni kon juroom benn ta amna fi waxtaan bobu amul motax ci digënté bi ko leen homme d'affaires responsable politique ko leen ci délégation ñëw na kër ga parce que jàpp nañ ni loolu warul mën ne nit waru ko mën seetaan ci ñi nga xam ni foo leen mës a gis gis leen ñoom ñaar foo leen mës a gis gis leen ensemble te lépp li ñu mës a bëgg mooy doxal Sénégal lépp li ñu mës a bëgg mooy Sénégal jëm kanam et ils ont fait des sacrifices incommensurables pour cela di gërëm toutes ces bonnes volontés parce que Sénégal danoo baaxoo loolu fu ñu dégg diggante surtout diggante bu nu mos naw diggante bu nu mos jàpp ni lu rafet rek moo fa am diggante boobu ñu dox pour mu rétablir di leen gërëm et dina am ci bu may daaneel kàddu yi ñenn ñu ma ci cité rek parce que am na ñeneen ñi nga xam ni bugguñu sax feeñ te bare na bi loolu amee moo waral le président Ousmane Sonko nous tok au Petit Palais man ak Tibir, Salom, seul pendant deux heures de temps nous fait le tour du Sénégal pendant deux heures de temps nous fait le tour des préoccupations mom la am pour Sénégal pendant deux heures de temps nous avons fait le tour ci yéeneem bi mu am Sénégal mais li ëppoon solo en plus de lolu mu wax mo don ma xol ndax ki ma xam toujours ci détermination pour le Sénégal et pour le combat des Sénégalais Je suis fi ne ba tay ma gis exactement ni même nit ki ma mossa xam ci bëgg Sénégal ki ma mossa xam ci taxawu Sénégal ki ma mossa xam ci nek ci ambition bi nga xam ni mom la nu partagé ci lu défar Sénégal ci jub nek ci lu défar Sénégal ci jaar yoon mom et lolu je m'en réjouis je m'en réjouis parce que donne na yéeme nga gis si fatel nga fa ngeen jaar ak sacrifice ngeen def mais je me réjouis de voir que nit ki nga xamni dara ñoru ko Sénégal dara ñoru ko lu lu ko jëmele kanam koku la togal et à travers lui ak message bima jox nous, yu ma jox donc nous sommes les ni exactement lolu mo nek ci président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lolu pour qui connaît la politique da ngay xam ni am une conséquence politique et les choix politiques il faut les faire en rapport avec deux en rapport avec sa conscience et en rapport avec la volonté du peuple sénégalais. Et j'ai interrogé les deux. Déjà, la photo bi comment ça a été accueilli par les Sénégalais. Comment cette photo a été accueillie par les Sénégalais. Et nous me ma conforter ci idée bi mom mos a am ci sénégalais moy danoo bëgg lu rafet danoo bëgg lu bax danoo bëgg surtout diggante yu ñu naw toujours muy dess toujours muy gën di consolider wu et ma leen ci gërëm bu baaxa baax parce que Sénégal nak défar ko mom lo ci mëna a dégg mooy àndandoo rek defar ko loo ci mëna a dégg mooy rafetal mu rafet rek et bi photo bi génni gis au niveau national international comment le Sénégalais accueillirait donc cette rencontre là di len ci et di wax ni donc ak ñu waxtaan bu baax Sénégal baax ma ni lolo motax ma dugon ci coalition motax may dellu soit ci devant les Sénégalais ni comme waxtan bobu amna à partir d'aujourd'hui j'ai décidé avec le parti et la coalition de me désister de la coalition Sàmm et et et, et, et, et, d'y engager, tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants. Ça peut être douloureux pour certains. Ça peut être très douloureux pour certains parce que savons que nous saurait Tibir comme pour moi d'ailleurs mais il est engagé peu pour nous mener à faire une translation vers les comités électoraux yi nga xam Pastef taxawal Nako, mais également engagé engagé le combat pour une large majorité Digante bi ma gisuma ak Ousmane Kham gen ni ta kawal nan nou koalisyon, ta kawal nan nou inter-koalisyon. Yo yip jwe nan ti ay rol. Me kou kham nan may doke, kham gen ni ben di jamon nou, amne jen pou ma abite. Te jen bo pou li kwe yi indi doudara, loudou respet bi ma am ti nye man nekal. Me egalman respet bi ma am ti samo konsyansi. parce que dem ci ba ci sentir ni c'est intérieur sentir ni quelque part pour nga taxaw li nga xamni ni ngeen xex at nga ñëw taxaw ni combattre gêne ne len gêne bi nga xamni ki nga andal devant sénégalais ñaanal nga ko fu ne ñu gisaat dara amul seen diggante sénégalais yi amul dara lu mu jàpp seen diggante nga war a toog di wax leneen mu gêné ma fi ma jógee parti bi ma nekkoon ku ne xam na ni même ba ma fa jóge amul un seul bu ma mën a yëkkati tekka ca ma àndaloon parce que loolu quand dafa ne ci man d'affaires ne ci man au fur et à mesure may avancer au fur et à mesure gêne boobu di ma habité te mënuma par respect ci ay nit nekk ay nit ñuy sóobu di nekk ci mbir sore ci may continuer di def semblant wala continuer di mel ne manga nga ca te nekkuma ci moo tax am yu am gisuleen ma te même bi loolu amee it ñi nga xam ni séqal naa ko séq naa ko ak ñoom ca coalition bi ma ne ci ay waxtaan privé barewuñu wax naa leen ni vraiment respecté naa ñi fi ne te xam naa ni sama doxalin bii may def ci démission lay mujjee c'est-à-dire même bu lii amul woon même bu lii amul woon même bu lii amul woon avant ñuy dem élection ku xam Déthié nek ci mbir te gisoo ko ci ci démission la doon dem démission par respect ci ñima ma ñuy bañ continuer di foog ñoo andak ki nga xamni tay ji ni mi ngi fi te fi mais aussi par respect pour les sénégalais nek ci mbir te fesoo ci budul won sax tok ak Ousmane ci fofu la doon ndax té ku né xam na ni luma né rek je suis à 100% dedans bu ma ba am ci gêne rek ci am lumay je recule et pour dire que même bu li amul won dernièrement ni ma par respect ci ne nekkal jamais duma won de continuer di ak également de façon très claire démissionner parce que je na jafé may tok man di attaquer Ousmane Du toc di attaquer le président Diomaye alors qu'il n'y a aucun problème alors que sincèrement au fur et à mesure qu'il avance, mais c'est un peu compliqué pour moi. parce que cette transition n'était pas du tout simple et comme il dafa def ma am respect pour que ku que am pour les Sénégalais motax tax mënuma dans tous les cas continuer don nek ci lool te sénégalais yi xam nañu xam nañu lu ma rek maa nga ci 100% te li ma wax ni bis na tay ci la né dina ci nek à 200%. dina nek à 200% ci li triompheloo les listes de du régime les listes de passifs les luy triompher les listes yi nga xam ni tey le président Bassirou Diomaye jahar Faitek et le premier ministre Ousmane Sonko. di jéggalu coalition bi kilifa ya fa nekk yëpp di jéggalu intercoalition bi kilifa ya fa nekk yëpp parce que bu nekk ci ñoom ñaar techniquement les lu ciy xalaat des propositions def ko mais ku ne ci ñom xam respect bi ma am ci moom kon loolu la ni won dina ñew jakarlo ak sénégalais yi wax len ko ñu xamé que non di que résumer très rapidement en français dikk le di gërëm bu délégation il faut ñëw yëpp kilifa diine boo leen mës boo leen Sénégal ak famille bu mu mën ci Sénégal maa ngi koy gërëm di sante sant ndaxte ku ci né directement ou indirectement woote nga wala yabal nga nga nga ñom nga nga nga ay relation ak man et ñooñu bare nañu lim mais vraiment di gëreum bu baax Serigne Moussa Mbacké Noël di bu Serigne Abdou Khadr Bassirou Mbake di gërëm bu baax Cheikh Bara Ndiaye lim ci dox kenn mënul wax nu mu toy di bu Imam Djanka, di gërëm bu baax Serigne Ibrahima Ndiaye di gërëm bu tous les responsables de PASTEF tous tous les responsables de PASTEF Amadou tout le monde di leen gërëm ci taxaway biñu am et aussi di remercier remercier tous les sénégalais à toutes les sénégalaises ñi nekk et ak remercier tous les militants responsables et sympathisants de PASTEF parce que Nous nous ni ñu nouvelles à travers le monde Ousmane Tunkara, j'en passe tout le monde nous naa ni nouvelle bi di qui ci remercier bu baax militants kuy militant ak militante Pastef naturellement bi remercier tous les responsables et militants et du parti et de la coalition ñom Pape Alé colonel Kébé tout le monde maa ngi di remercier Koulim lim Koulim remercier naturellement ñi nga xamni ñom la laa coalition yewi Askan bi ñu nekk tay ci mouvance bi ñom ñep di leen remercier ndax té lu rafet mo rafet et ku ne na ko mëne na ko sentiré témoigner nga lool mais di remercier encore une fois les Sénégalais ak les Sénégalaises parce que j'ai vu ñi nous soppé loolu nga xamni mo am et li ma ci mottali rek moy tour ci liste kenn mënu ko génne wanté buñu démé ba tour bobu sama tur Déthié Fall ci liste ba jàll assemblée nationale makay wax devant les sénégalais sama désistement moy une démission démission bi nga xamni ni ka ca topp mooy jël poste ba parce que duma jël mukk poste bi nga xam ni tey jii nii kon loolu mooy li wér te mënoon naa ko def it après élection mais j'ai préféré def ko léegi parce que lu tax ma préféré def ko léegi moo doon dina ma diis ma duggeeg philosophie coalition ci biir assemblée ba pare à l'intérieur de l'assemblée mu fay quitter di demaat feneen moo tax ma préféré def ko léegi nga xam les sénégalais dans daanu xam ni la philosophie de l'Assemblée assemblée nationale et par respect aussi encore une fois nous ña ma par respect aussi je avons nga xam ni ñoom ci coalition bi moo ma def ko au lieu ma après parce que ça pouvait se faire tout de suite comme ça pouvait se faire après mais j'ai préféré le faire tout de suite pour ne pas douguer mandat l'Assemblée, assemblée la philosophie bi assemblée et à l'intérieur de l'assemblée moy soga di mën guen di def lenen loolu day 10 motax def ko nga xamni la conséquence elle est tirée même bu le jàllee donc ki top mom moy jël parce que il y aura une démission directe et cette démission elle va être douloureuse mom l'ai demander à tous les responsables ñi nga xamni ñong ci département yi nek ci liste bu yalla défé it ñu jàll ñu mëna a def la même chose une fois à l'Assemblée nationale xam ni jot nañu sore ci intercoalition bi jot nañu sore ci coalition bi mais lool la leen di demander parce que nit mono bàyyi li téye li booy bàyyi da ngay bàyyi lépp et je comprends que pour ñom am nañu ci amone ambition député et je le comprends mes ambitions pour le développement du pays mo ëpp ndariñ lepp loy gis comme poste et ku xam ni ma mos doxé xam ni mosuma am ambition pour poste j'ai toujours eu de l'ambition pour le développement du pays autrement je ma moso nekkoon di dëmmooyu lima ma dëmmooyu yëpp te ngeen xam ko assemblée nationale kenn umpulewul ne ba ma fay ne je l'ai dit terrain yi doon pour les députés mosuma ci jël terrain je l'ai dit tout le salaire que j'ai recevé était intégralement versé dans un compte bi nga ci Sénégalais yi la doon jëm intégralement Assemblée nationale ba fay je n'ai jamais reçu lu carburant bi nga xam ni doon ci euh, en ticket en billet mais carburant bi doon jëm carte électronique de am que je l'ai jamais pris pour dire que mon engagement a toujours été un engagement pour le peuple sénégalais et c'est pourquoi je demande même les autres responsables qui sont sur les listes aussi bien pour le parti que la coalition nous avons cette même philosophie détourner ou de cela et rester seulement qui préoccupation peuple sénégalais aux côtés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et aux côtés de mon ami et frère, le Premier ministre Ousmane Sonko. le Tabac Sénégal te plus plus plus expertise les plus disponibilité les plus sérieux les plus rigueur dans la conduite des affaires c'est ça qu'on veut mettre à la disposition du pays et à la disposition de ses nouveaux dirigeants parce que li ma gëm moy Sénégal warna naa nek warna nekk yegg fep fu benen rew yegg on a les ressources humaines qu'il faut on a les ressources naturelles qu'il faut on a également les li nga xamni moy comme, comme buñ ko defaraatee comme direction bi nga xamni mom le président Ousmane Sonko expliqué bu continuer ci direction bobu on va naturellement au Sénégal vers l'émergence. Et donc, on encourage cette direction et on amènera toute l'expertise, le sérieux, la rigueur, toutes les compétences, on amènera ça pour que le Sénégal mène en wolof très rapidement en français je voudrais encore une fois me réjouir de cette forte présence des journalistes et à travers vous transmettre mes salutations à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises d'ici et de la diaspora qui nous suivent en direct ou qui après nous suivront et leur dire que c'est un immense plaisir, encore une fois, de me mettre devant eux. Notre engagement politique, vous le connaissez déjà, c'est un engagement basé sur la recherche continue, permanente, de solutions aux préoccupations multiples qui assaillent nos compatriotes au quotidien. Nous avons fait 20 ans dans l'opposition du simple fait que nous avons toujours pensé que les orientations, les politiques, présenté, défendu par ceux qui étaient là, n'était pas du tout conforme à notre vision et à notre approche par rapport à la politique et au développement de façon générale du pays. Ces 20 ans d'opposition nous ont permis, à travers les tournées que nous avons faites, davantage de comprendre les Sénégalais, de vivre avec eux de vivre leurs difficultés, de partager ces difficultés avec eux dans les coins les plus reculés du pays. Et ces trois dernières années, nous avons été dans une coalition qui s'est appelée la coalition Yewi Askanui. Tout le monde se souvient des combats que nous avons menés dans la douleur, mais dans la détermination des combats que nous avons menés pour la consolidation de la démocratie, pour l'état de droit, mais également pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir que certains de nos cadres, aussi bien du parti que dans la coalition, ont eu à élaborer avec le responsable des cadres ici présent, le polytechnicien Abdurrahman Sal. Et pendant ces trois dernières années, un rapprochement autour de ces valeurs a existé entre moi et le président Ousmane Sonko. Au cours de ces trois dernières années, ce siège qui vous reçoit aujourd'hui a été à plusieurs reprises barricadé. Nous avons été par moments torturés et même emprisonnés. J'ai fait dix ans de prison dans ce combat-là. J'ai inhalé énormément de gaz lacrymogène. Mais ça n'a pas, ça ne m'a pas amené à fléchir, ça ne m'a pas amené à reculer. Au contraire, j'ai toujours été au devant et j'ai toujours fait face à toutes ces persécutions. elles ont été nombreuses, celles connues et celles encore méconnues des Sénégalais et des Sénégalaises. après cela, et après la victoire du régime actuel qui a permis au président Bassirou Diomaye Diakhar d'être le président de la République du Sénégal, j'ai préféré observer un moment de silence pour ne pas gêner les tenants du pouvoir, pour observer, pour regarder se dérouler devant moi tout ce qu'ils avaient promis mais également se dérouler devant moi leurs visions, les ambitions qu'ils ont pour notre cher pays. Et quand je me suis présenté la dernière fois devant vous, des moments de vérité que j'adore et que j'inscris dans mes relations avec le peuple sénégalais, lorsque je me suis présenté la dernière fois devant vous, et dans cet exercice de vérité, j'ai clairement dit que ça faisait six mois que je n'avais pas de contact ni avec le président de la République, ni avec son premier ministre. Par la suite, énormément de bonnes volontés se sont mobilisées. J'ai reçu pas mal de délégations à la maison. J'ai reçu pas mal de médiateurs venant des responsables religieux, responsables moraux de façon générale que nous avons dans ces pays-là pour faire en sorte que cette relation qu'ils ont tant adorée puisse se maintenir et c'est ce qui a fait que la dernière fois, avant-hier plus précisément, vous nous avez vus avec le président Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, président de PASTEF, au Petit Palais, en entretien pour parler du pays. Et il a profité de cette occasion pour présenter encore une fois toutes les ambitions qu'il a pour ces pays-là, toute la vision que le président de la République a pour ce pays-là et qu'il a la mission de conduire, mais également tout l'élan de transparence dans la conduite des affaires, mais son ouverture et sa disponibilité dans ce chantier-là à se faire accompagner par tous les Sénégalais. Et ça m'a permis encore une fois de constater que celui que j'avais toujours connu ces trois dernières années dans les combats et les moments les plus difficiles, ces combats qui nous ont menés un peu partout, qui nous ont privés de beaucoup de liberté, ça m'a permis de voir que c'est le même homme que j'ai retrouvé avec les mêmes ambitions pour ce pays-là. Et naturellement, lors de ce dernier exercice, j'avais dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de contact depuis lors et qu'on allait vers des élections législatives. Étant responsable d'un parti et d'une coalition, il était de mon devoir de me mettre dans une coalition pour que ce que j'avais à lui dire, si ce contact était là, à travers les députés qu'on allait avoir à l'Assemblée, qu'on puisse le lui dire et qu'il puisse prendre ça en charge dans la conduite des affaires publiques. Dès lors que cet entretien a existé, ce contact a existé, connu de tous, naturellement, ça va avoir une conséquence politique. Et les conséquences politiques, il faut les assumer, les assumer au bon moment. Et cette conséquence politique est la suivante. Mon désistement voire ma démission de la coalition Samo pour engager par la suite tous les militants responsables du parti et de la coalition à intégrer les comités électoraux de la liste passive à battre campagne pour une majorité de cette coalition à l'Assemblée nationale pour que ce que nous avons toujours voulu et combattu ces trois dernières années aux côtés des dirigeants actuels que ça puisse se réaliser. L'autre conséquence politique à travers la démission et le désistement, comme on le sait, un nom sur une liste ne peut pas être retiré. C'est ma démission si toutefois cette position passe pour que ce poste puisse revenir au suivant sur la liste. Et je demande dans la douleur que je peux comprendre tout de suite, à tous les responsables du parti et de la coalition investis sur les listes au niveau des départements de procéder de la sorte et également, si toutefois ils sont élus à l'Assemblée, de faire la même chose et de déclarer cela tout de suite parce que c'est beaucoup plus conforme de le faire tout de suite ou de le faire après, selon mon approche des choses il est beaucoup plus facile pour moi de ne pas entrer avec la philosophie d'une coalition qui t'a fait venir et de les quitter après que de les quitter tout de suite et de pouvoir, même s'il n'y a pas de poste pour le parti, même s'il n'y a rien pour le parti, de rester conforme à son engagement par rapport au peuple. Parce que mon engagement par rapport au peuple, je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit si ce contact était établi, ce qu'on allait chercher à l'Assemblée nationale, on allait le lui dire directement. Comme ce contact est établi, ce qu'on va chercher à l'Assemblée, on le retire pour le lui dire directement. Donc, c'est ça que j'avais dit au Sénégal. Et c'est ça la cohérence que je veux que tout le monde maintienne, même si c'est dans la douleur, au niveau des départements, qu'on reste dans cette cohérence. Je wax ni monde bu mon du député Je am continuer à député du am cohérence comme li amna député yi nan ko bàyyi ma len di wax député parce que dans notre engagement politique les postes et les privilèges n'ont jamais été privilégiés tout ce qui a été privilégié ce sont les préoccupations de nos compatriotes et c'est ça qui a fait que jamais nous avons voulu rencontrer en son temps les régimes qui se sont succédés. J'ai dit ici que le président Macky Sall, à plusieurs reprises, a voulu cela. Je n'ai jamais donné suite. Et je ne fais pas partie de ceux qui, nuitamment, sont allés le retrouver. Quand il s'agissait de rencontrer le président Ousmane Sonko, avec qui je n'ai aucune difficulté, je l'ai fait au-dessus de tous. Parce que je ne vois pas la raison de cacher cela. Mais cette démission, après avoir fait des pas dans la coalition et dans l'intercoalition, je la fais surtout pour mettre à l'aise cela avec qui également j'ai été dans cette coalition et cette intercoalition, par respect aussi que j'ai pour eux. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans une chose et qu'on continue de ne pas te voir présent qu'on connu de ne pas te voir engagé dans la chose. Et pour qui me connaît, quand je suis dans une direction dans laquelle je me sens totalement à l'aise, je suis toujours au devant. Et dernièrement, vous avez tous noté mes absences. C'est parce que je ne veux pas du tout gêner. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la coalition comme dans l'intercoalition, je me sentais gêné de devoir me mettre en face de quelqu'un avec qui j'ai toujours été à ses côtés pour les mêmes préoccupations, ces mêmes préoccupations que j'ai également retrouvées dans nos discussions pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Et croyez-moi, toute l'expertise, le talent, la compétence, le sérieux, la rigueur que vous nous connaissez, que vous connaissez à cette coalition et au parti, toutes ces valeurs seront également mises à la disposition du régime actuel pour que le pays puisse avancer. Nous savons qu'il est possible que le Sénégal connaisse une émergence, qu'il est possible que le Sénégal fasse des pas significatifs vers le développement. Et nous allons soutenir de la manière la plus déterminante les dirigeants actuels pour que cela puisse justement connaître le jour dans ce pays-là. Et je l'ai dit, il fallait mettre à l'aise ceux avec qui j'étais. D'ailleurs, j'ai de grands amis avec qui je discute. Et il y en a à qui j'avais même dit que très sincèrement, au fur et à mesure qu'on avance, je me sens mal à l'aise. Ne soyez pas surpris que je démissionne de la coalition parce que je ne peux pas continuer à être dans une direction dans laquelle de plus en plus et tous les jours, dans laquelle je me sens un peu gêné compte tenu de ce que je viens de dire, de ma difficulté, de tous les jours que j'ai rencontré, de devoir me mettre en face et attaquer quelqu'un avec qui j'ai tout fait, avec qui nous avons consenti tous les sacrifices les trois dernières années pour dire que même sans cette rencontre, ce n'était même pas exclu que cette démission puisse se faire parce que c'était ce qui était le plus conforme à ma conscience et le plus conforme également aux gènes que j'avais. Et je ne voulais pas non plus les gêner, j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui explique aujourd'hui cette présence et je les remercie, tous ceux avec qui j'ai été, je leur souhaite également une très bonne chance et je demande aujourd'hui, ceux avec qui je suis maintenant, que tous les militants, responsables, sympathisants se mobilisent pour le triomphe de leur liste, se mobilisent pour une grande majorité pour qu'ensemble on puisse bâtir le Sénégal, puisqu'ensemble on puisse donner un mandat honorable au président de la République et un mandat honorable au Premier ministre Ousmane Sonko et finir par remercier toutes ces bonnes volontés. Je ne pourrais pas toutes les citer. Elles sont nombreuses, des délégations, elles ont été multiples à se succéder chez moi, ici également au niveau du siège, des délégations constituées de religieux, des responsables moraux de façon générale. Et c'est le lieu de remercier Céline Moussa mbaké Nawel, de remercier Céline Bass Abdoukhad, de remercier Cher Ndiaye qui a joué un rôle déterminant, Colonel Kébé, de remercier Amadouba de PASSEF, tous les responsables de PASSEF, mais aussi de remercier tous les militants de PASTEF et les sympathisants de PASTEF, j'ai vu comment ils ont accueilli cette nouvelle. Ousmane Tunkara, tous ceux qui se sont manifestés de façon déterminante et qui ont également exprimé leur totale satisfaction quand ils ont eu la nouvelle de cette rencontre et dire combien j'ai été ému par l'accueil que les Sénégalais ont également fait de ces retrouvailles. Remercier également Pape Allé, remercier le doyen Baratal, polytechnicien ancien, mais tous les hommes d'affaires, chefs d'entreprise, qui se sont mobilisés et qui ont envoyé des délégations. Il y en a qui ne veulent pas être cités et ils sont nombreux. Et vraiment les remercier. Remercier encore une fois les Sénégalais et les Sénégalaises et vous dire que je serai toujours à votre disposition. Je serai toujours dans l'orientation de la prise en charge de vos préoccupations. Je serai toujours dans la défense de vos intérêts et cela ne me quittera jamais. Et je suis fort heureux, après la rencontre que j'ai eue avec le président Ousmane Sonko, de voir et de confirmer effectivement qu'il est dans ces mêmes dispositions, ces dispositions qu'on a partagées ensemble. Et je souhaite qu'ensemble, on puisse réussir cette mission. Et j'ai grande foi qu'il le réussira. J'ai grande foi que le président de la République réussira cette mission et on mobilisera tous les talents, toute l'expertise pour que justement ça se fasse dans les meilleurs délais. Je vous remercie et à bientôt.